Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue au Forum de la presse, le rendez-vous hebdomadaire du studio Kalangou. Cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité s'articulent autour de la situation sécuritaire dans la zone dite des trois frontières, avec en toile de fond le mouvement des populations dans la commune rurale de Tamou. Ensuite, nous parlerons de la création d'un fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie annoncé jeudi 12 octobre passé à travers un communiqué du CNSP. L'actualité, c'est aussi la hausse des prix des céréales, une situation accentuée avec la fermeture des frontières et le comportement de certains commerçants véreux. Pour commenter et analyser tous ces faits, j'ai le plaisir de recevoir Mme Diado, journaliste indépendante. Mme Diado, bonsoir. Bonsoir, Mokhtar. Kari Arimi, journaliste à la radio alternative. Kari Arimi, bonsoir. Bonsoir, Mokhtar. Et Ousseini Sajibo, journaliste indépendant. Ousseini Isajibo, bonsoir. Bonsoir, Mokhtar. À la modération, je suis Mokhtar Hamadou. Nous débutons le forum de la presse de ce vendredi 20 octobre par la situation sécuritaire dans la zone des trois frontières. Le dimanche 15 octobre 2023, le village de Kaura Margou, appelé aussi Caritas, situé à 5 km de Tamou, département de Saï, région de Tilaberi, dans la zone des trois frontières, s'est vidé de ses habitants suite à une attaque par des hommes armés non identifiés. selon des sources locales, 180 personnes de 40 ménages ont fui ce village pour se réfugier à Tamou, chef-lieu de la commune rurale. Ils ont été logés dans une école et attendent impatiemment l'aide des bonnes volontés. Mamouna Diado, avez-vous d'autres informations au sujet de la situation sécuritaire dans la commune rurale de Tamou, département de Saï, région de Tilabiri Je n'ai pas euh, d'autres euh, informations à part ce que vous venez de dire à l'instant. Hein. Mais tout ce qu'il faut retenir, c'est que cette zone euh, frontière donc, euh, euh, avec, le, Burkina, Faso. également, c'est une zone qui est juste à côté du du parc w, la Tapua. Donc, cette hmm. zone est connue ça fait plus de combien d'années pour cette euh, situation d'insécurité. Et il ne faut pas également oublier qu'il y a euh, déjà les déplacés de Uregelayo et jusque-là qui, on ne sait pas leur situation parce que la situation était sur le point d'être, euh, d'être arrangée quand il y a eu ce coup d'État. Donc jusque-là, nous ne savons pas que deviennent ces déplacés de Uregelayo qui sont un peu éparpillés également, qui se retrouvent également au niveau de Tamou. Il y a d'autres aussi qui sont ici à Niamey. D'autres sont à Saï, d'autres sont à d'autres sont à Tamou, d'autres sont à Niamey, d'autres sont à Trodi. Et le fait qu'aujourd'hui ces déplacés prennent en otage, parce que c'est en otage une école, parce que ça, c'est, il faut également regarder les conséquences que ça peut avoir sur la scolarisation de ces enfants qui vont dans ces écoles. Donc là, ça urge vraiment, il faut que euh, l'État s'y met et qu'il essaie de sécuriser, on l'a toujours dit, on sait que c'est pas facile, mais quand même, il faut déployer le nécessaire pour pouvoir sécuriser ces populations-là. Aujourd'hui, si cette zone... comment faisant en ramenant l'effort de défense, en, déployant... Oh, on l'a toujours dit, hein. si les forces de défense et de sécurité, chacun dans son pays, peut sécuriser les frontières, ça serait déjà quelque chose de, de, bénéfique pour ces populations. Mais quand c'est un seul pays qui se bat aujourd'hui à pouvoir sécuriser la partie, sa partie, et que d'autres pays ne peuvent pas sécuriser la partie, au niveau de Tamou, au niveau parc. oui, c'est le parc de W là. Il y a combien de, pays qui sont autour de Il y a le il y a le Bénin, il y a le Burkina Faso et le Niger. Ce que, oui, un peu le Togo. Ce que je suis en train de dire Aujourd'hui, le Niger seul ne peut pas faire face à tout ce, vaste, le, oui, vaste étendue, en mm. tout cas, qui est le parc de W. Mais j'ai dit que si les forces en tout cas, Bénin, avec cette situation, on ne peut pas compter sur le Bénin. Mais quand même, avec le Burkina Faso, je pense que si on arrivait à conjointement hmm. et à, mettre, conjuguer, à euh, conjuguer, les, forces, les efforts, je pense que peut-être que ne serait-ce moindrir cette situation où des populations, chaque fois, on vient les narguer, c'est des djihadistes, des terroristes qui viennent leur donner un temps de délai pour pouvoir quitter leur zone. Mais c'est à déplorer. C'est à déplorer. Et je, je, suis en train de dire qu'aujourd'hui, c'est vrai, nous, nous avons pensé que la situation sécuritaire serait un peu estompée avec euh, la prise euh, donc euh, du pouvoir passé militaire. Mais quand on regarde, c'est encore de s'empirer parce que tout simplement, il y a d'autres agendas qui préoccupent les militaires. Mais ils ne doivent pas perdre de vue la, situation, la sécurité. La sécurité, tout ce qui touche aujourd'hui Tamou, touche Saï et touche Niamey parce que c'est à quelques kilomètres. Et on ne peut pas comprendre aujourd'hui qu'à quelques kilomètres de Niamey, que des terroristes sont en train de sévir là-bas et de s'aimer la peur dans ces populations-là. Maintenant, trouvons des solutions ensemble et mettons à contribution les populations pour que certaines choses également puissent être relayées euh, rapidement au niveau donc, de ces forces de défense et de sécurité. Merci beaucoup, Mme Diado. Arimi, en juin passé, toujours dans la même zone, dans la même commune de Tamou, plus de 3000 personnes des villages de Kiapanga, Bala Rimaybe ont fui les exactions et menaces des terroristes opérant dans cette zone que faire pour apporter secours et assistance à ces populations En matière d'humanitaire, c'est aussi simple que ça. Maintenant, ceux qui viennent juste de se déplacer, il faut d'abord un plan euh, d'urgence, n'est-ce pas euh, Il faut les héberger, euh, leur fournir de quoi se prendre en charge au plan alimentaire, au plan de l'eau pendant un moment, les stabiliser et avant de se projeter dans le temps est-ce qu'on va les laisser là où ils sont Est-ce qu'on va créer un camp au niveau de Tamou est-ce qu'on va les faire avancer si encore ils seraient en danger dans cette zone-là Est-ce qu'on les ferait avancer vers euh, Niamey ou ça, c'est dont il, s'agit euh, aussi en matière de NFI, euh, les produits non alimentaires tels que les abris, n'est-ce pas, les couvertures parce que la saison de pluie est passée, mais c'est le froid qui s'annonce. Vous savez, le froid de canard qui fait dans, euh, qui, dans cette zone-là. Et donc, il faut aussi euh, prendre ça en compte. Mais aussi, une chose importante qu'il faut soulever, même dans les pays en guerre, l'école se poursuit. Là, c'est un peu un mélange, c'est d'autres qui viennent occuper, mais toujours dans la même zone, des écoles aussi qui sont fermées Ailleurs, même en situation de guerre, l'école se poursuit. Au Soudan, les enfants vont à l'école. en Libye, les enfants vont à l'école. En Syrie, les enfants vont à l'école. Parce que quand tout finit, c'est ce qui doit rester à une société. Ce n'est pas le cas chez nous. On ferme l'école, on tourne le dos. On fait semblant de réinsérer les enfants dans d'autres écoles, ce qui n'est pas réel et ce qui n'est pas faisable, et on s'en va. Mais ces enfants-là, c'est aussi une proie facile pour les terroristes. Il ne faut pas se les cacher. Des enfants non instruits. Bien sûr, des enfants instruits même dans la rue, n'est-ce pas Dont les parents sont dans une situation d'errance, n'est-ce pas Eux. Et de précarité. Et de précarité. Eux, ils sont jeunes, n'est-ce pas Ils sont à la fleur de l'âge. Ils sont capables de courir, capables de menacer qui que ce soit, manipuler les armes. C'est vite fait. OK En plus de ça, cette zone, la zone de Saï Tamou, il ne faut pas qu'on se leurre. Ça constitue un couloir de passage vers l'océan Atlantique. Les Béninois peuvent ne pas prendre ça au sérieux, mais c'est une zone vraiment tampon. Non seulement c'est la zone de trois frontières, mais aussi c'est la zone quand elle est dépassée, quand il passe à travers cette zone-là, c'est fini. à euh, assalamu alaikum le Bénin, assalamu alaikum comme le, le Togo parce que le, parc de W, c'est un cheval en réalité entre le Niger, le Burkina, le, Bénin surtout, mais ça touche un peu au Togo aussi. Donc c'est vraiment une zone extrêmement importante. Là, ils ont embrasé la zone de trois frontières. C'est devenu vraiment leur fief aujourd'hui. Vous, vous imaginez, c'est des localités vraiment à 50 km de Niamey que tout ça là se déroule. Donc c'est comme quoi ça reste d'un sérieux vraiment extraordinaire. On ne doit pas perdre de l'énergie ailleurs. Les gens doivent s'occuper de cette situation-là. La solution peut ne pas être militaire, mais il faut qu'on l'envisage au plus vite, chercher des solutions à ce qui est en train de se passer. oui, mais Abachari Arimi, comment expliquer la présence et la multiplication hein, de ces groupes armés dans la zone dite des trois frontières, malgré l'engagement et la détermination des armées régulières, mais aussi euh, des responsables au plus haut sommet de nos États Mais écoutez, il s'agit, dit, on l'a répété, d'une guerre qui n'est pas une guerre. Euh, ah, euh, c'est une guerre asymétrique. comme on dit. C'est-à-dire, euh, c'est trois, quatre personnes, n'est-ce pas, qui ont les armes capables de, euh, se, déplacer. De, se déplacer rapidement avec des moyens de, qu'on sait, c'est les motos, n'est-ce pas, et des motos de plus en plus efficaces, mais aussi adaptées à la zone. Donc, qui peuvent escalader des collines, qui peuvent vraiment euh, traverser même euh, parfois des, cours d'eau, des coris, pour pouvoir atteindre leur objectif et se cacher aussitôt. C'est une guerre qui a marché dans la lutte même contre la colonisation. Il ne faut pas... s'amoritourer, c'est vraiment ça, c'était sa force. C'est de frapper et de disparaître dans la, nature, dans la nature. Aujourd'hui, c'est parce que c'est la guerre qui convient à cette zone-là. Ils la font comme ça l'État islamique en Syrie ou en Irak ne procède pas de la même manière. Là, on sait où les trouver, où les attaquer et ils le font avec des gros moyens et tout. Ce n'est plus le cas. Il faut se débrouiller pour comprendre et pour faire face. Mais aussi, le recrutement, qu'on le veuille ou pas, c'est une réalité. Parce que au début, on essayait de nous faire croire que c'est des bandits venus d'ailleurs à l'épreuve de fait, on se rend compte que même dans, la zone, il n'y a pas, il n'y a pas de secret pour ça. Ça a été la même chose à Difa, mais c'est aussi la même chose dans cette zone parce que parmi les morts, parmi les blessés, parmi les, les terroristes faits prisonniers, c'est généralement des fils de terroir qu'on trouve. Donc ce n'est pas vraiment de chercher de midi à 14h, de faire face à la réalité. Parce que la politique de l'Autriche, ça ne sert à rien. Il faut regarder en face la réalité et chercher la solution. Merci beaucoup, Abakari Arimi, Ousseini Sajibo. Que faut-il aujourd'hui comprendre ou retenir au sujet de la situation sécuritaire dans la zone des trois frontières C'est que les difficultés continuent. C'est la principale leçon à retenir, n'est-ce pas Comment en est-on arrivé là C'est la question qu'il faut se poser. En vérité, tout le monde connaît la source. C'est juste au démantèlement de la Libye et c'était délibérément fait par la France. Le Mali, ensuite le Niger, puis le Burkina Faso. Maintenant, une excroissance vers le Bénin. Parce que tout simplement, c'était un plan bien savement monté. C'est des choses qu'on ne connaissait pas, n'est-ce pas Aujourd'hui, Dieu merci, au niveau de tous ces trois pays-là, on est parvenu à faire pacter la force française. Il fallait créer une situation d'insécurité généralisée dans cette zone pour pouvoir amener les troupes françaises, n'est-ce pas Il y a toutes les armées qui sont arrivées. On allait assister à d'autres armées qui allaient arriver encore, n'est-ce pas Pour pouvoir, dire, soi-disant, nous sécuriser. N'est-ce pas Heureusement, on les a fait partir. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'on se donne les moyens. Il faut consacrer des budgets entiers pour avoir, comment dirais-je, les moyens de guerre nécessaires parce que c'est des gens tout à l'heure arrivés à dire quelque chose de pertinent. Ils ne viennent pas d'ailleurs. Hein. Oui, mais, comment ils arrivent quand même à recruter au sein des populations locales oui, mais comment ils arrivent à... les messages de sensibilisation. Imaginez une chose, c'est la mal-gouvernance. C'est la gouvernance, comment dire, fondée sur, sur l'exclusion dans ces zones où ces, conflits-là sont apparus, c'est des zones où c'était des zones abandonnées, complètement abandonnées, où il n'y avait pas l'État, il n'y avait personne, il n'y avait rien. On avait laissé les gens à eux-mêmes. Est-ce une raison pour prendre les armes contre... imaginez euh, quelqu'un, imaginez des gens désœuvrés, l'État ne te propose rien, l'État ne t'a rien donné, tu es né, tu grandis, tu vas vivre dans ton coin sans voir quoi que ce soit. C'est que, que l'État... Alors, quand quelqu'un vient, il te propose on te dit, voilà une arme. On te dit, voilà les moyens. On t'apprend à tirer sur une arme. On te donne un moyen, une moto. On te donne un peu d'argent. On te donne du carburant. Mais alors, qu'est-ce que tu as à perdre voilà comment ça s'est produit. Il ne faut pas aller chercher. Ce pas des gens qui sont sortis de. Au départ, on disait ils venaient du Mali, ils venaient de ceci, cela. C'est faux. C'est localement. Le président de Chibazoum lui-même a reconnu que c'est des gens qui sont recrutés, n'est-ce pas, sur le terrain ici. C'est ça la frustration. comment, faire, comment faire pour arrêter le recrutement On arrive à un niveau où c'est compliqué, n'est-ce pas on arrive à un niveau où ces gens qui sont radicalisés, qui sont, c'est-à-dire ils sont devenus des criminels endurcis, ils s'en foutent de quoi que ce soit. Il n'y a, aucun message selon vous pour eux. Il faut, il n'y a pas de message. C'est des gens qui ne peuvent pas changer parce qu'ils ont été formatés pour tuer, pour créer une situation de déstabilisation. Tout ce qu'il y a lieu de faire, c'est que nos trois pays-là, il faut qu'on s'arme. S'il faut faire un ratissage total, partout où les gens on sent que, parce que c'est dans les villages, c'est pas autre chose où on fait comprendre aux gens, ceux qui savent qu'ils ne sont pas avec eux, qu'ils s'en aillent, maintenant qu'on ratisse tout qui t'a reconstruit, n'est-ce pas Et maintenant, c'est pas tout. Il faut que l'État soit présent dans ces zones, parce que c'est l'absence de l'État dans ces zones-là qui a fait cette situation, qui a créé cette situation, qui est en train aujourd'hui de faire mal à nos pays, parce que les gens n'avaient pas à se concentrer pour penser au développement. Pendant des décennies et des décennies, par exemple, le nom Mali a été abandonné par Bamako. Tout s'était concentré sur le, euh, euh, comment dire, Bamako, c'est un peu ça s'arrêtait là. Quand vous allez vers le nord, il n'y avait pas de route, il n'y avait rien, il n'y a pas d'école, il n'y a rien. Même les militaires qu'on envoyait de l'autre côté, il y avait une ségrégation, c'est les gens de l'autre côté qu'on envoyait. Alors, on peut gérer un pays comme ça. C'est les mauvaises gouvernances qui sont à l'origine de ce qu'on est en train de vivre. Maintenant, la situation, c'est qu'il faut se donner les moyens pour mettre fin à ça et rapidement, et ensuite créer les conditions d'un développement endogène qui touche sans exclusive toutes les régions du pays. Merci beaucoup, Ousseini Sajibo. Rapidement, Abba oui, hein. je suis très d'accord avec la question de, la, mauvaise, euh, gouvernance. Ici même, nous avions soulevé cette question-là. Pour citer la mauvaise gouvernance parmi les causes des coups d'État en Afrique, il y en a qui ont protesté, je ne sais pas aujourd'hui, ils sont où. Maintenant, il faut qu'on regarde dans notre zone. Il y a deux pays qui sont plus ou moins relativement épargnés. C'est l'Algérie, c'est la Mauritanie. Euh, si aujourd'hui l'Algérie, c'est une puissance en matière d'armement, ce n'est pas le cas de la Mauritanie. Je crois qu'on doit chercher la solution à ce qui est en train de se passer en s'inspirant, en allant voir avec ces deux pays qu'est-ce qui s'est réellement passé. Ça, c'est extrêmement important. Un dernier, mot, un dernier mot, j'ai lu il y a quelques années une étude qui dit que parmi tous les enfants du terroir qui vont dans le terrorisme, il y a seulement 10% qui vont pour des raisons religieuses. Tout le reste il faut citer la pauvreté, la pauvreté, l'injustice, la volonté de trouver une couverture, une protection, parce que c'est dans ton village où tu pars, où tu quittes. Parfois, vous avez des animaux parce que vous avez quelque chose, il faut protéger tout ça. Donc, les raisons sont aussi connues tant par nous-mêmes que par tous ceux qui nous écoutent en fait. Merci beaucoup à tous. On a servi une courte pause. Passons à présent au second sujet de ce forum de la presse. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, a rendu public un communiqué euh, dans la soirée du jeudi 12 octobre 2023 relatif à la création d'un fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Selon le communiqué, il s'agit d'un compte spécial d'affectation créé conformément à la loi organique relative à la loi des finances pour mobiliser des ressources devant permettre euh, de contribuer au financement des actions de renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité engagées dans la lutte contre le terrorisme et l'insécurité. Euh, selon le même communiqué, il est aussi destiné à la prise en charge des citoyens victimes des déplacements forcés liés à l'insécurité, leur relocalisation, leur réintégration locale et leur euh, retour volontaire à la prise en charge de la mobilisation sociale des populations dans le cadre des actions citoyennes. Abachari Arimi, comment les Nigériens ont-ils accueilli la nouvelle de la création d'un fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie Pour parler des Nigériens, en tout cas ceux avec qui euh, j'ai échangé ont apprécié. Euh, positivement. positivement. Mais euh, mon constat à moi, c'est que les gens vont beau apprécier, c'est mettre quelque chose dans la cagnotte qui est difficile. Nous n'avons pas euh, cette tradition-là. Ailleurs, notamment dans les pays occidentaux, en Europe, ce que les gens font, même les associations, plusieurs associations font des levées de, euh, fonds. notamment en lien avec euh, l'Église, et ça marche. Mais ce n'est pas le cas chez nous. Et surtout quand il s'agit de l'État. Moi, je proposerais plutôt un impôt pour faire face à ce genre de situation. Autrement dit, sur quoi Autrement dit, voilà, c'est de cela qu'il s'agit. À une certaine époque, de façon un peu désordonnée, on en a fait pour le football. pour les, sur, les appels, mhm. sur les appels téléphoniques. On en a, également fait pour les forces de défense et de sécurité. Mais je pense qu'il peut se faire de façon plus organisée, euh, plus transparente, n'est-ce pas euh, Et plus lisible, vraiment plus visible ce que vous avez mis. Vous pouvez vérifier à tout moment, voilà ce que vous avez vu, vous avez fait, et voilà comment cet argent-là est dépensé. D'abord, on, on est dans un environnement de pauvreté. Mais si on ajoute 10 francs symboliques sur une denrée qui est de plus consommées, je crois que ça ne pose... Vous pensez à la cigarette par exemple. l'alcool euh, D'ailleurs, les, les, défenseurs, comme on appelle, les, gens qui ne veulent pas qu'on fume là, euh, comme l'association. Euh, les, associations de, lutte, contre, le, tabagisme, le, tabagisme, ne sont même pas d'accord qu'on prenne l'argent du tabac pour eux sur de l'argent sale parce que ça va passer par intoxiquer quelqu'un avant que ça ne parvienne. Mais la téléphonie, n'est-ce pas Parce que eux aussi, je pense. ça, a été été Je pense qu'on a du mal à les. Non, même pas à les forcer à faire. Mais quand ils font ce qui va rentrer là, moi, je ne pense pas qu'on ait encore les moyens de contrôler exactement ce qui se passe. Mais vraiment, c'est de cette manière que ça va se passer. La Nigélec, depuis des années, on cotise de l'argent, soi-disant, les redevances radio. N'est-ce pas Ce montant-là, c'était destiné à la culture, notamment au cinéma. Si ça ne va pas venir au cinéma, cet argent peut être pris pour être mis de cette manière. Par exemple, donc la Nigélec, je veux dire. Et, Il y a euh, les redevances euh, minières. Les redevances minières, par exemple, on peut prendre là-dessus pour faire. Mais vraiment, cette population a beau être généreuse, elle n'a pas les moyens de prendre, les gens n'ont pas les moyens de prendre d'eux-mêmes pour mettre 10 francs, 15 francs, 20 francs, 100 francs. Non seulement ils ne croient pas que le peu qu'ils vont mettre va contribuer à quelque chose, mais aussi ils n'en ont pas. Donc c'est de faire des choses formelles. On peut dire que cette taxe est implantée pendant une période de 5 ans renouvelable. Voilà, désormais si vous achetez votre litre de carburant, il y a un franc ou cinq francs qui montent là-dessus et les 5 francs là c'est destiné à ça. Mais aussi bon, malheureusement il y a des choses sur lesquelles aussi les Nigériens, vous voyez, s'attendent même à des réductions. C'est le combat qu'on on va en venir au débat qu'on la réduction sur le euh, prix du, litre, euh, du, voilà, voilà tout ça. Maintenant, en faisant tout ça, on peut aussi intégrer des choses comme ça. On a ramené par exemple à 450 francs, mais 455, il y a 5 francs qui, sans être taxé, va être mis dans cette cagnotte-là parce que nous avons des forces de défense et de sécurité. Nous avons des populations déplacées, à prendre en charge. Voilà. Donc, vraiment, c'est non seulement de la communication, mais aussi beaucoup de réflexion pour que ce n'est rien. Un moment, je me rappelle d'un ministre qui avait, par exemple, euh, instauré euh, la formule une famille, une peau. C'était en lien avec Tabaski. C'était Voilà. C'était Voilà. Aujourd'hui, peut-être que ça ne se vend pas bien, ce produit-là. Mais on a toujours des produits hyper consommer. Il y a une période là, c'était sur, sur la boîte d'allumettes qui coûtait 20 francs. On dit désormais on amène à 5 francs, à 25 francs. Les 5 francs, c'est pour investir, par exemple, dans la jeunesse ou dans le football. ou dans. Donc, il y a moyen de mobiliser ces ressources-là, mais il faut que l'État vraiment creuse encore un peu au fond du crâne. Mais, merci beaucoup, Abachari Arimi, Quelle est votre opinion au sujet de la création d'un fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Vous savez, à chaque fois qu'il y a des transitions, il y a toujours ce genre d'initiatives. Souvent, c'est des commissions. Bon, pour une fois, on crée un fonds pour euh, la mobilisation des ressources en vue de faire face aux dépenses, euh, n'est-ce pas, un certain nombre de dépenses de la transition. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée, mais, mais, mais, les gens sont en train d'observer quelque chose qui constitue une des aspirations fortes des citoyens nigériens. Tout le monde sait qu'on est dans des difficultés. C'est indéniable avec les sanctions de la CDAO, avec les gels des, des, avoirs de l'État euh, du Niger à la tout le monde aujourd'hui, personne ne sait comment faire, n'est-ce pas Alors, ce que les gens ont attendu de ce régime, c'est que systématiquement, tous ceux qui ont volé l'argent public là, n'est-ce pas les milliards, parce qu'il y a eu des milliards. ils, ont, mis en place quand même une structure, la, là pour. Structure est où la structure est où Jusqu'ici, elle est où Ça fait deux mois. Il y en a qui ont eu le temps de fuir. Il y en a qui ont eu le temps de faire. De transférer leur fonds. Mais alors, mais la structure est où On a laissé les gens partir alors que c'est déjà avec qui on pouvait prendre beaucoup d'argent. Ça dit que sans, tergiverser, créer les conditions pour qu'on puisse contrôler ces, ces, ces milliards-là que les gens contrôlent dans ce pays. On vient, on les laisse partir, on dit il y a une structure qui est là, qui va faire des investigations et tout et tout. Maintenant, on crée une société, on dit il faut amener de l'argent. Aux citoyens, il faut chercher de l'argent pour pouvoir faire face à un certain nombre de choses. C'est louable comme initiative, n'est-ce pas Mais les gens ont l'argent où les gens ont des difficultés même pour manger. Aujourd'hui, les salaires et tout et tout, ça devient un problème compliqué. Alors, là où l'argent est, au lieu d'aller chercher ça là-bas rapidement, quitte à ce que, bon, on, essaie de régulariser par la suite. Non, on, laisse partir, on laisse, on dit non, non, les citoyens doivent continuer. Les gens, ce pays-là, pratiquement tout le monde vit de l'État. C'est un pays où tout le monde vit de l'État. Il y a quelques commerçants, eux-mêmes, ils vivent des mamelles de l'État, les opérateurs économiques, c'est les marchés publics, c'est n'est pas autre chose. Alors, on dit qu'il faut créer, il faut trouver. On peut mobiliser quoi à travers ces, cette structure qui vient d'être créée là Au niveau de la diaspora, la diaspora nigérienne n'est pas aussi dense que ça, comme celle du Mali, comme celle des autres pays, où les gens brassent des milliards. Au Mali, pratiquement, quand tu apprends ce que la diaspora a fait, tu, tu es émerveillé. Alors, c'est bien beau de dire, voilà, il faut que chacun se serre là. Mais il faut que les gens trouvent déjà. Parce que nous, notre contexte, c'est particulier. C'est un contexte particulier. Il ne faut pas perdre de vue le coup d'État, c'est qu'on est en train de vivre là. Sanctions, fermeture de frontières, gel des finances, gel des. De, comment on appelle Quelle est l'activité Coupure d'électricité. Quelle est l'activité qui tourne aujourd'hui dans ce pays Il faut être réaliste, il faut reconnaître les choses, voir les choses en face. Aujourd'hui, les gens vivent, vivent au quotidien, pratiquement, il faut le dire. Voilà un peu la problématique. Je ne sais pas, c'est une bonne chose, c'est une bonne idée. Mais de l'autre côté, il faut faire rapidement pour que ceux qui ont volé l'argent public, qui se sont enrichis là, il faut qu'ils rendent gorge pour que les gens, cet argent-là puisse servir à financer, comme avait dit, les activités de la transition. Ils sont, certains sont dehors en train d'insulter le pays. Alors que c'est eux qui ont coulé ce pays-là. Alors pourquoi on va les laisser On va dire aux citoyens, il faut que chacun contribue. C'est une bonne chose. Mais moi, j'ai dit, Mokta, il faut arrêter de faire des choses comme ça. On ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. On les prend où on prend les biens qu'ils ont parce qu'ils n'ont pas. Tout le monde connaît tout le monde dans ce pays-là. On sait, de 2010, on sait déjà, ils étaient dans quelle situation. C'est compliqué. Merci beaucoup, Hussein Issa Djibo, Diado. Le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie sera géré par un comité de gestion qui travaillera sur la supervision et le contrôle euh, du CNSP, du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. À cet égard, le secrétaire permanent du CNSP est l'ordonnateur des dépenses et centralise les contributions en nature. Que peut-on encore retenir au sujet de ce fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Euh, tu as bien parlé de, comité. Moi, je, salue ce comité parce que celle qui est aujourd'hui au devant de ce comité a quand même euh, une expérience. Euh, elle a quand même une expérience pour avoir géré Asusu en son temps. Une institution de microfinance. Voilà. Donc, et également la chargée en communication. C'est également quelqu'un qui s'y connaît en termes de communication. Donc, je pense que le comité a salué. Et je pense que ce comité peut réaliser beaucoup de choses. Mais maintenant, c'est réaliser beaucoup de choses, mais comment est-ce qu'il faut faire pour réaliser ces certaines choses À travers le communiqué, ils ont quand même décliné les manières dont le prélèvement va se faire. ils ont décliné la manière ou bien les manières dont la cotisation ou les collectes vont se faire. Mais je rejoins ce que ce qu'a dit Hussein, de dire. Si de l'autre côté, c'est facile pour un opérateur économique ou bien Hein, pour euh, les opérateurs de téléphonie mobile de cotiser, ça serait aussi un peu difficile aujourd'hui pour euh, un citoyen nigérien, c'est vrai, hein, de faire sortir de, de l'argent de sa poche. Tout le monde veut contribuer, mais est-ce que tout le monde a les moyens de contribuer C'est ça aussi. Parce qu'il faut, quand vous attendez quelque chose, d'un citoyen. Il faut d'abord améliorer les conditions de vie de ce citoyen. Parce qu'aujourd'hui, la vie est tellement cher. Aujourd'hui, quand tu as 25 francs, tu vas te demander d'abord réfléchir <laughs> avant de prendre ta décision. Est-ce que les 25 francs-là, je pourrais les mettre dans la caisse ou bien je me servirais de ces 25 francs-là pour pouvoir aussi euh, acheter quelque chose qui va un peu bénéficier pour ma famille C'est un peu difficile. Et je dis et je le répète, nous l'avons dit ici, que le Niger n'est pas un pays pauvre. Le Niger a été pillé durant combien d'années Et ceux qui ont pillé ce pays-là aujourd'hui, ce sont ces mêmes gens qui se retrouvent de l'autre côté, qui sont en train de narguer. C'est où l'autre côté De l'autre côté, qui sont plus au Niger. Et qui Ils ont fui. Il faut dire les mots comme ça. Ils ont fui ce pays. Ils ont mis ce pays à terre. Ils sont fuis, ils sont partis et ils sont en train de nous narguer de ce côté. Moi, je pense que aujourd'hui, comme l'a dit Ousseini, il faut passer par tout le monde. Il faut ceux qui ont pillé ce pays-là doivent ramener l'argent de ce pays-là. Sinon, si on avait ramené, si on avait eu la possibilité d'avoir toutes ces sommes-là qui ont été dilapidées, qui ont été eh, volées, dans ce pays-là, je suis sûr qu'on n'a pas besoin de mettre en place un fonds. Oui, mais au Niger, des télétons ont été déjà organisés, notamment en faveur de l'équipe nationale de football, le MENA. Euh, Abakari vient de le dire, et même en faveur des forces de défense et de sécurité. Que faire pour une mobilisation conséquente et une adhésion massive des Nigériens à cette cause le, le contexte n'était pas le même. Le contexte, au moment où il y avait eu la mobilisation des fonds, pour euh, les forces de défense et de sécurité. Et, même le ménage. Et même le ménage, ce n'était pas le même contexte qu'aujourd'hui. Euh, avant, c'est vrai, on peut dire qu'il y a, même s'il y a chèreté de, de, des produits de première nécessité, ça n'atteint pas aujourd'hui le stade où nous sommes. Aujourd'hui, tout le monde est en train de voir comment est-ce que même les salaires, les gens se débrouillent pour pouvoir faire les salaires. C'est très difficile. Et il faut quelque chose de clair et net dans toute situation. Quand je dis clair et net, il faut que celui qui met ses 5 francs doit être en mesure de savoir où est-ce que les 5 francs sont partis. On crée des comités, on crée des fonds de gestion. Selon vous, c'est parce qu'il y a eu des précédents Vous n'avez pas la parole. non. Ah, ah, vous, aurez la parole au Sénissa. La mauvaise gestion, je suis en train d'interpeller. Ah. Il ne faut pas que ce comité ou bien ce fonds-là qui vient d'être créé <laughs> rejoigne aussi les autres fonds qui ont été créés bien avant. C'est ça, en fait. Attirer l'attention des uns et des autres, c'est très important. Vous voulez dire que le comité gestion, doit euh, faire une communication La communication, elle est très importante parce que tu ne peux pas aujourd'hui te lever. C'est vrai, on a créé un fonds, mais on attend également qu'il y ait plus de sensibilisation, qu'il y ait plus de communication, qu'il y ait plus de transparence autour de, de ce fonds. Euh, Ousseini Sajibou, rapidement, vous voulez les gens en train de dire là, il ne faut pas tourner autour du pot. On sait ceux qui ont volé l'argent, qui ont pillé ce pays-là. Est-ce qu'on a besoin de mécanismes et autres On va dire, bon, les gens sont pauvres, les gens sont dans des difficultés, s'il te plaît. Les gens sont dans des situations difficiles. Les salaires, difficilement, on arrive à payer. Sur le mois de mars et d'octobre, là, il y en a qui ont. Oh, alors, mais quand on vient dire, il faut. D'accord, c'est bien, c'est une bonne initiative. Mais prenons les gens qui sont. Regarde au Gabon, quand il y a eu le coup d'État. On a pris déjà, on a pris des, milliards et des milliards chez eux. On laisse les gens fuir avec l'argent et on vient. non. Merci beaucoup à tous. On a servi une courte pause. Les autorités de la transition continuent de chercher des voies et moyens pour soulager les consommateurs nigériens suite à la hausse des prix de céréales. Cette situation a été accentuée avec la fermeture des frontières et le comportement de certains commerçants véreux. Ousseini Sajibo, depuis la fermeture des frontières imposée par la CDAO, les prix de certaines céréales telles que le riz grimpent en flèche. Certains commerçants tirent profit de cette situation selon bon nombre d'observateurs. Comment l'expliquer Dans ce pays-là, ça dit c'est l'anarchie. C'est pas autre chose, c'est l'anarchie. Comment ça l'anarchie Non mais s'il te plaît, c'est l'anarchie. Ça dit que on n'a pas l'impression que l'État a une même mise sur les. A le, pouvoir de contrôler tout. Mais parce que pourquoi je te le dis pourquoi je te l'ai dit Il y a eu fermeté des frontières et tout et tout. Immédiatement, il a suffi qu'on ferme les frontières, l'embargo tombe. Pourquoi le riz Les commerçants du coin qui est là avec plus de 200 sacs de riz devant sa boutique, tu vas, on va te dire, il n'y a plus de riz. Alors, c'est passé où Subitement, les clients sont venus d'un coup, ils ont acheté tout ce qu'il a. Voilà comment ce pays-là fonctionne. Il y a une difficulté qui est là. Chacun considère les commerçants, ils considèrent qu'on peut s'enrichir dans cette difficulté-là. On ne regarde pas que c'est une situation. C'est ça la, la, différence avec les autres pays, comme le Mali, comme le Burkina, où les commerçants, quand il y a des situations difficiles, c'est eux qui vont, qui disent, qui, voilà, des sacrifices. Ici, on va, on dit, mais il on n'a même pas besoin d'aller loin. Regardez même quand le mot de jeûne vient, comment les choses se passent. Alors, on est dans cette situation. Il y en a qui ont trouvé que c'est une aubaine n'est-ce pas On a trouvé un mécanisme pour approvisionner le pays en denrées alimentant notamment le riz. En passant par le Burkina Faso avec escompte et tout et tout, avec des facilités et réductions de 25 sur la base taxable. Mais ça a changé quoi Jusqu'à présent, il y a combien de convois de 300, 400 camions qui sont rentrés Il y a du riz encore. Le riz qui est accessible aux populations, aux bourses faibles. Les gens ont fait disparaître ce riz-là. On dit non, voilà le riz qui existe, c'est basmati, depuis longtemps, ça coûte cher. C'est à prendre ou à laisser. Mais c'est faux. Et les prix ont oh, grimpé. Même l'autre maintenant, on veut 12 500. Celui qui a fixé 12 500 avec l'État, là, n'est-ce pas Il est rentré avec des camions la dernière fois. Quand il est arrivé, pour ne pas pouvoir vendre, avec, pour vendre au, machin, eh ben, il a dispatché ses camions à des demi-grossistes avec des prix qu'il pratique. Alors, l'État est là, l'État voit, non On les regarde faire. Alors, où est la responsabilité On ne peut pas sortir de l'ornière tant que l'État ne peut pas taper fort. Alors, ils disent que... Selon, vous, c'est l'État qui doit mettre un peu de l'ordre à ce niveau Regardez, quand on est dans une situation difficile dans n'importe quel pays, prenez le cadre, il faut redresser, il faut amener les gens à se mettre droit. Quand ils refusent de se mettre droit, c'est à l'État de Gérard Quand il voulait mettre de l'ordre au Ghana, il a eu à bombarder même un marché. Quand il a appelé, appelé, appelé, les commerçants ont refusé. Il est parti, il a brûlé le marché. Alors, les gens sont de Oui, bien sûr. Mais on ne peut pas faire des émolettes sans casser des œufs. Dans la souffrance des gens, il y en a qui cherchent à s'enrichir, ils s'en foutent que quelqu'un, que les gens crèvent. La prière qu'ils font là, aller à la mosquée, quand on appelle les miens ils le font juste pour que la, société voit qu'ils sont allés à la prière. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont une foi, ils croient en Dieu, ils, comprennent que quand il y a des difficultés, il faut assister. C'est des histoires que les gens racontent dans ce pays. Les gens sont hypocrites dans ce pays. Voilà le mal profond de ce pays-là. Merci beaucoup, Hussein Issajibo, Depuis l'annonce des sanctions par la CDAO, une forte inflation a été enregistrée sur les céréales, l'huile végétale et beaucoup d'autres produits de première nécessité, malgré les mesures d'accompagnement, Hussein vient de le rappeler, du gouvernement. Quelle est votre opinion à ce sujet rapidement eh ben, Je rejoins ce que Hussein vient de dire. Je veux juste ajouter que aujourd'hui les... Vous, aussi, vous étiez l'anathème sur les commerçants Mais oui, bien sûr. Il y a les commerçants et il y a également l'État. Parce qu'aujourd'hui, il y a les contrôles de prix où le ministère du Commerce a, même si je ne sais pas, un bureau ou quelque chose qui doit contrôler les prix. Mais s'ils ne sont pas en mesure de contrôler les prix et de dire à certains euh, commerçants, voilà comment est-ce que vous devrez payer aujourd'hui parce que nous sommes en train de diminuer pour vous les taxes douanières, mais c'est grave. C'est grave aujourd'hui parce que quand tu fais le tour des marchés, le sac de 25 kilos de riz, il n'y en a pas c'est 50 kg de riz qu'on te présente. À prendre ou à laisser. Et quand tu demandes le détaillant, tu lui demandes pourquoi est-ce que vous ne vendez plus le sac de 25 kg. Ils vont te dire que c'est au niveau du grossiste. Eux-mêmes, ils n'arrivent pas à avoir le sac de 25 kg chez le grossiste. Parce qu'il n'y en a pas Parce qu'il n'y en a pas, ou bien il y en a, mais ils ont caché ça parce qu'ils veulent vendre du riz qui a duré et du, riz, ou peut-être qu'il faut que les consommateurs l'achètent à des prix, à un prix énorme. Ça veut dire aujourd'hui, personne ne peut avoir, je ne dis pas personne, mais le moyen, le citoyen lambda moyen ne peut pas avoir un 30 000 francs pour payer un sac de riz de 50 kilos. Mais il faut qu'on revienne à cette situation-là. Les commerçants-là, on les a toujours facilité les choses dans ce pays. Parce que même s'il n'y a pas eu fermeture de frontières, les commerçants-là, ils agissent de la même manière qu'ils agissaient auparavant. Donc, la situation-là, puisque on parle de solidarité dans ce pays. Le ministre du Commerce, là, s'ils veulent que la solidarité là continue et qu'on trouve les moyens de mettre de l'argent dans le fonds, dans le fond qu'ils euh, euh, ont créé. Ils ont créé. Mhm. Mais il faut d'abord que le ministre du Commerce tape fort sur la table pour qu'on puisse avoir suffisamment, et s'il y a suffisamment de denrées alimentaires, pour que ça soit moins cher, pour que tout le monde puisse en, en profiter euh, avoir de quoi quand même amener chez lui. Aujourd'hui, si ce n'est pas le riz qui est cher, demain, on va nous dire que c'est le mil qui est cher, demain, c'est l'huile qui est chère. Aujourd'hui, même la tomate concentrée, il n'y en a pas sur le marché on va te dire que la tomate concentrée, là, il n'y en a pas et que ça coûte cher. Merci. nous, on va, faire comment Merci beaucoup, Mme Gado. Harimi, si les sanctions expliquent euh, cette hausse euh, des prix, euh, celle-ci est aussi aggravée par certains importateurs et commerçants qui entretiennent la pénurie pour augmenter leur chiffre d'affaires selon beaucoup d'autres observateurs. Comment expliquer une telle posture Malheureusement, c'est ce que les deux, mes deux prédécesseurs viennent d'expliquer. Euh, en fait, il faut se référer toujours au mois de jeûne. Au mois de carême. Oui, de carême. oui, c'est le mois pendant lequel tous les prix sont revus. Beaucoup de prix sont revus à la hausse. À la hausse et ça ne redescend plus. Parce que je me rappelle pertinemment de l'année où le prix de la banane, qui était à 500 francs le kilogramme, est passé à 700. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on ne soit plus capable de l'importer, c'était 700. C'est même monté à 800. C'est même monté à 800, 850. N'est-ce pas Parfois, on produit ça à côté de, chez nous, mais le prix des fruits ou de certains, de certains produits la sont plus chers qu'en Europe. La pomme de terre, sont plus qu'en Europe. là où les gens ont un train de vie, ont des moyens beaucoup plus importants que nous, n'est-ce pas Généralement, pourquoi les Nigériens ne mangent pas à l'extérieur C'est que le plat familial coûte moins cher, n'est-ce pas, quand on prépare pour beaucoup de gens, coûte moins cher, mais ce n'est plus. Au fur et à mesure, ça a tendance à changer. Parce que de la même manière que chez la Yao, tu peux prendre le repas à 500 francs, aujourd'hui chez toi aussi, le repas qu'on va te servir ne va pas coûter moins de 500 francs. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Nous avons un problème avec nos commerçants. Et il y a certains aspects de la chose qui ont disparu l'OPVN, je ne sais pas si elle continue à vendre des produits de première nécessité. Le riz, le mil, le sorgho étaient vendus dans cette structure-là. Ça permet de réguler le prix. Parce que si le commerçant qui importe son sac de riz à 10 000 francs veut nous vendre ça à 15 000 et que l'État, n'est-ce pas, se, se contente du minimum de bénéfices et qu'il nous vend ça à 11 000 francs, il est obligé de vendre tout au plus à 11 500 ou à 12 000. Mais il n'a pas de concurrent il n'a pas de concurrent et on n'a rien pour réguler, n'est-ce pas, de façon vraiment objective le marché. Avant, il y avait par exemple les boutiques qu'on appelait les cobros et tout, n'est-ce pas Le savon de Niamey à Bilma, c'est le même prix. Il y a un certain nombre de produits sur lesquels l'État fait un contrôle parce que c'est pour permettre à chacun de vivre avec le peu qu'il a. Mais ce n'est plus le cas. Et une transition est très mal placée, malheureusement, cette histoire de euh, fermeture de frontières est venue compliquer les choses, mais une transition n'a pas le temps de réguler ce genre de choses normalement. Eux, ils doivent être concentrés sur comment euh, vraiment rendre le pouvoir aux civils, comment faire des textes vraiment qui vont convenir aux Nigériens et que des choses comme la malgouvernance, le vol, machin, ne se répètent pas. Mais là, on est là en train de distraire les gens à vouloir fixer le, riz, le prix du riz, le prix de oui, de la feuille de ah, salade. Mais oh, ah, bah, ah, bah, rapidement, euh, comment faire pour véritablement lutter contre la, spéculation Regardez, même une ville comme Niamey, il n'y a pas que les, produits alimentaires, un terrain, n'est-ce pas, vide. À 50 km de Niamey, on va te dire 1 million, 2 millions un truc où tu n'es même pas sûr que la ville va atteindre là-bas. Donc c'est aussi ça le problème. On a laissé libre cours dès qu'on a entendu parler de libéralisme on pense qu'on est les plus libéraux du monde. L'État doit frapper sur la... Mais écoute, hein, en Europe, ils amènent la banane de l'Afrique et même du, du Brésil. N'est-ce pas Pourtant, les gens arrivent à s'en procurer. mais Donc, beaucoup L'État doit taper sur la table. C'est l'affaire de l'État. Hein. Merci beaucoup à tous. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à nos invités. Maimouna Diado, journaliste indépendante. Abba Arimi, journaliste à la radio alternative. Et Hussein Issa Jibo, journaliste indépendant. Merci aussi à vous tous, chers auditrices, auditeurs, téléspectatrices, téléspectateurs, pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche dès 17h sur nos 52 radios pour suivre l'actu des jeunes suivis de tous à la FADA. Et à partir de 18h15 samedi, suivez le forum à Hausa et dimanche celui en Zarma. Merci aussi à la technique assurée par Amina Hassan. C'était Mokhtar Hamadou à la modération du forum. Merci, au revoir.